waa tey lu ñu fi dajale mooy euh, benn mbir boo xam ne mouvement bu ñuy ci Pastef nga xam ne dañ ko tàmbale ci réew mi yëpp muy lu ñuy woowee Pastef action mooy maanaam jéem a xool bañ a def politique comme ñeneen ñi ni ñu koy defee à chaque fois di xaar ci nit ñi dara wala di xaar ba élection jot di dem ci nit ñi di leen defal dara waaye dañ ne ci biir Pastef képp ku nekk bokk Pastef fépp foo mun mënta nekk nanga xool lan nga mën a def sa biir gox ngir mu nga xam ne da doon luy njëriñ askan wi. ci loolu nag amay ndaw yoo xam ne dañoo bokk ci géejuwaay muy ndaw yoo xam ne dañ leen di cercle des élèves étudiants patriotes mu gën ci bëri ay élèves ak ay étudiants ñoom nag ñu ne ci loolu ñoom lu ñuy def mooy lycée bi nga xam ne ñoom fa la ñuy jàngee muy lycée Limam Laye ñoom du ñu xaar ba école ubbi rek comme seen yeneen morom yi rek ñu jàngi si waaye bëgg nañu ñëw ñu xool lan lañu mën man mi nga xam ne maay coordonnateur départemental de Pastef Guédiawaye ak ñeneen ñi nga xam ne jàppale leen tey ngir ñu nettoyer lycée bi ndaxte xam nañu bu ñu vacance bu ñu amee lycée bi day tilim dina am ay ñax ak yeneen yeneen mbalit ñoom ñu ñëw tey jàpp ci ci liggéey bi suba ba léegi nag 9 ba léegi ñu ngi koy liggéey lool nag lu tax ñu koy def ndaxte dafa fekk ne am na yoo xam ne bu jaaroon yoon mairie moo ko war a def ndaxte balaa école ubbi mairie war a dugg ci lycée yëpp ak collège yëpp nettoyé waaye comme que mairie defu ko tamit ñun duñ ci xaar nguur duñ ci xaar dara ñoom nag ñuy ay ndaw yoo xam ne dañoo takku am gëm-gëm nag loo xam ne moom la président Ousmane Sonko wax naan réew mi waratuñu yaakaar ci kenn balaa ñuy yaakaar ci kenn nañu yaakaar suñu bopp yaakaar suñu bopp nag fu muy tàmbale mooy ku nekk fi nga nekk nga xool lan nga mun a def ngir jëmale réew mi kanam te bokk na ci jëmale réew mi kanam mun a defar lycée bi tey ba suba ëllëg si biir nga xam ne ndongo yu bu ñu ñëwee rek ak enseignants yi dinañ mun a tàmbalee jàng loolu tax nag loolu mooy lu ñu dajal fi woon tey ñu ciy jëfal bu baax nag la cercle des élèves et étudiants patriotes di ndaxte dañuy ay yoo xam ne am nañu taxawaay ñun gëm nañ ne taxawaay bii ñu am tant que nous Sénégal Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre euh, d'une action lancée par le PASTEF national, euh, particulièrement le mouvement national de massification de PASTEF qui s'appelle PASTEF Action. dans ce cadre, au niveau du département de Guédiouaï, il y a le cercle des élèves et étudiants patriotes de Guédiouaï qui a lancé aujourd'hui une action une action pour nettoyer le lycée Seydina Limamlaï. Parce que ce sont des jeunes qui ont compris que, comme le veut l'idéologie de PASSEF, le plus important, ce n'est pas d'attendre quelque chose de la société, mais c'est toujours de se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire en retour pour la société. Et pour eux, dont la plupart d'entre eux étudient dans ce lycée, ils se sont dit qu'au lieu de faire comme tous leurs autres camarades élèves, attendre l'ouverture des classes pour venir, ils vont s'investir. Et c'est cet investissement humain qu'ils ont fait aujourd'hui, et je tiens à le souligner, ce sont ces élèves qui, ont porté, qui portent cette action qui nous ont invités, nous le Rennais, à venir les appuyer dans cette action. Ils sont là aujourd'hui au niveau du lycée Sénali pour le nettoyer, pour préparer le lycée, pour que, une fois que leurs camarades seront là, puissent trouver un cadre approprié, un cadre agréable pour pouvoir débuter leur cours. C'est vrai, l'État parle du concept Ubitei Yangtei, mais eux, ils n'ont pas attendu ce concept d'État pour s'investir. Comme toujours, comme ils l'ont fait l'année dernière, durant toute l'année scolaire, ils se sont à chaque fois investis, soit en mobilisant des enseignants pour des cours de renforcement pour leurs autres camarades, soit en organisant des cours de révision à l'approche des, examens. Et cette année, c'est en toute logique donc qu'ils ont mobilisé et qui se sont mobilisés et ont appelé leurs aînés du département de Guédioy à venir les assister et les appuyer dans cette action d'investissement humain. Et là, nous sommes là depuis 9 heures au niveau du lycée Seydina Limamoulaye. Nous avons commencé à faire travaux. Il y a énormément de tas d'ordures que nous avons trouvées dans le lycée, que nous avons débarrassées. Et pour l'instant, l'action n'est pas terminée. Nous continuons à être là pour faire. C'est juste pour vous dire que l'idéologie de PASTEF ce sont une idéologie qui est épousée par cette jeunesse. Et comme le dit le président Ousmane Sonko, nous n'avons pas besoin de Messie, mais nous avons besoin d'une masse critique de jeunes conscients. Et quand on voit ces jeunes de la secte de gayway on se rend compte que c'est une jeunesse qui est consciente de ses euh, responsabilités. C'est une jeunesse responsable, c'est une jeunesse consciente des dangers. et une jeunesse qui s'investit, qui n'attend rien en retour, juste pour le, besoin de servir la nation sénégalaise et particulièrement pour le besoin de servir le département de Guédiawaye. Si vous voyez les actions que nous sommes en train de faire, théoriquement, c'était la commune qui devait le faire. C'est la mairie qui devait faire cet investissement qui devait faire cet investissement. Mais comme vous savez, nos collectivités locales ne font jamais ce qu'on attend d'elles. Nous, au niveau de PASEF, on s'est dit que nous avons faire notre part notre part. Et faire sa part, c'est cet investissement-là. Et ça, cela ne s'arrêtera pas ici, parce qu'il est prévu dans cette planification au niveau de CEP, autant que nous l'avons fait pour le lycée Limam nous allons le faire pour les autres lycées qui sont dans le département de Guéjaï, à savoir le lycée Canada, à savoir le lycée pékin et aussi d'autres collèges. C'est juste pour sensibiliser leurs camarades, élèves, et étudiants qu'il est important que chacun puisse savoir quelle est sa responsabilité et s'investir pour le bien de son cadre de vie. Merci beaucoup.